je pense qu'il y a plusieurs impacts. Il y a l'impact environnemental et puis il y a l'impact socio-économique. Et, bon, et bien sûr, il y a même un euh, impact social et un impact sanitaire. Hmm. Parce que la fermeture de la commune va laisser, euh, si vous voulez, 600 euh, travailleurs directs sans travail, 800 sous-traitants sans travail. En moyen, chacun, on va dire, il y a deux femmes vous faites les calculs et à moyen, chaque femme a au moins six enfants. Je vous laisse faire les calculs. Donc, socialement, voilà l'impact que nous, que nous allons avoir. C'est pourquoi souvent nous disons à nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil, c'est vrai, nous sommes en deuil. C'est pas que nous le disons, mais nous sommes en deuil. Maintenant, vous avez bien sûr l'impact environnemental, c'est-à-dire la pollution durable. On a décrié toujours de pollution durable où on va avoir des millions de tonnes d'hystérile qui contiennent 80% de la radioactivité qui vont rester à l'air libre, donc bien sûr à Arlis. Et deuxième chose, vous avez tous les produits qui, sont, qui ont été utilisés dans ces traitement d'uranium pendant des années. Je, peux je vais parler du, du, para, euh, l'amiante, et puis vont bien sûr la radioactivité, ce sont des choses extrêmement dangereuses qu'on va nous laisser sur place. Et bien sûr, à amont, il n'y a aucune préparation. Rien n'a été prévu pour l'après-midi.